Nous sommes venus assister donc, à cette cérémonie d'ouverture de, la campagne de reboisement à Morla. Donc, nous sommes effectivement dans la réserve naturelle communautaire Lahidere. Donc euh, il y a 300-400 hectares et nous voulons faire de ce lieu le poumon vert de la commune de Morla. Donc euh, ce n'est que le début. Je pense qu'il est prévu de, reboiser cette année 5000 plants ici. Et je pense que chaque année on va le faire pour que l'objectif soit atteint, que ce soit vraiment un vrai poumon vert de la commune de Morla. Je pense que nous sommes là et je pense que nous profitons de l'occasion pour remercier M. Sey de Assafondet, mais aussi les autres partenaires tels que les étudiants, le conseil local de la communauté de la jeunesse et tous les jeunes de Morla et les eaux et forêts aussi. Je pense qu'ils sont notre partenaire technique dans, cette activité. Donc en tout cas, nous remercions beaucoup les eaux et forêts pour l'accompagnement de, ça, mais aussi des autres activités. Parce qu'actuellement, par exemple, il est interdit systématiquement de couper les, les arbres dans la commune de Morla. C'est avec l'accompagnement des eaux et forêts. Je pense que si on le fait d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la commune de Morlan va reverdir. Et je pense que c'est un objectif noble. Nous tous, on doit se battre pour atteindre cela. Je pense en tout cas encore une fois, merci beaucoup. Merci aussi au directeur du centre où il y avait une pépinière communautaire. Je pense que tout le monde est en train de s'activer en tout cas pour atteindre l'objectif. Donc je veux dire merci à tout le monde. Oui, on travaille beaucoup sur ça. L'environnement pour nous c'est la base du développement. Parce que ce qui s'est passé en réalité, euh, il y a eu des années de sécheresse. Les gens n'ont pas eu de récolte et ils, ont attaqué l'environnement. Ils coupaient les feuilles de baobab, ils coupaient le bois. En tout cas, il y avait euh, vraiment, les gens ont attaqué l'environnement pour survivre. Et ça, ça a détruit l'environnement, ça a diminué les pluies. Maintenant, il faut renverser les choses. Il faut que les gens maintenant acceptent de ne pas détruire l'environnement, qu'ils acceptent d'aller dans les champs, soit faire le maraîchage ou faire d'autres activités en génératrices de revenus, et non d'aller vers l'environnement pour, donc survivre. Je pense que ça, a été une, grosse erreur, aussi bien pour les animaux que pour les hommes. Je pense que si les troupeaux, le bétail aussi, se nourrissaient pratiquement des feuilles de bambou qu'on coupait, et ça je pense que c'est une mauvaise chose. En tout cas, vraiment avec nos partenaires, euh, comme Asafodep, nous on espère que euh, nous allons atteindre l'objectif. Parce que déjà les eaux et forêts sont très présents dans la commune. Il est arrivé plusieurs fois où des gens ont payé des amendes en coupant des... Je pense, en tout cas, nous les encourageons et qu'ils sachent que nous sommes derrière eux pour ça. Nous sommes prêts vraiment à accompagner pour que Morlan soit un exemple par rapport, du point de vue environnemental. Ça, je pense, c'est un souhait. Je pense si on le fait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et j'encourage aussi les jeunes, parce que Morlan, c'est votre Morlan. Donc les, les anciens, ou bien en tout cas vos aînés, ont détruit l'environnement. Vous devez refaire votre environnement pour avoir une vie saine. Je pense que les étudiants doivent en faire une activité continue. Il ne faut pas seulement se limiter à ça, il faut revenir ici surveiller les arbres, il faut aussi continuer le reboisement dans les villages, il faut aussi organiser chaque année une campagne de reboisement. Je pense que les étudiants aussi doivent euh, en contact avec Assavodep et le centre qui peut produire les plans avec les eaux et forêts. Chaque année, je pense que si on fait ce reboisement, je pense va atteindre notre objectif. En tout cas, je vous encourage et je vous félicite pour cette initiative qui est noble. Moi, je m'appelle euh, Major Seydouba. Je, suis venu représenter donc euh, euh, l'inspecteur des eaux et forêts, le chef de secteur et le chef de, du sous-secteur de Parlez-nous un peu de ce programme Je suis accompagné de mon collègue Mfali Djiba, qui est le chef de brigade de Mewan. Parlez-nous un peu de ce programme que vous avez lancé et du type d'arbres que vous allez planter. c'est un programme, d'abord je voudrais remercier au nom du directeur des eaux et forêts, de l'inspecteur du commandant Moustapha Ndiaye et du lieutenant LT Ndiaye euh, pour bien vouloir accompagner donc le maire dans ce programme. Et remercier également le maire de Morona pour avoir pris cette initiative qui est vraiment solitaire Au moment où les terres manquent, lui, il euh, découpe donc une quantité aussi importante, un espace aussi important dans sa commune, dans, le terroir de sa commune, pour en faire une réserve donc communautaire. Donc euh, dans cette réserve, euh, je ne vais pas revenir sur l'étendue, mais on va, essayer de mettre des espèces qui s'adaptent le mieux. Vous voyez donc euh, c'est le prosopis. On va essayer d'enrichir ce qu'il y a déjà sur la réserve. Donc mettre les eucalyptus et d'autres espèces qui pourront s'adapter. Mmh. on va donc continuer à encadrer la commune comme il est toujours de coutume, comme pour notre rôle de ces Et remercie encore le maire pour avoir euh, compris que le reboisement est une compétence transférée et pour avoir pris ses initiatives. Parce que c'est à encourager, comme il l'a dit, il voudrait que la commune de Morala soit un exemple. Elle l'est déjà, parce qu'en soi-disant, c'est rare hein, dans, dans le département d'avoir des espaces pareils, en faire des, des, des, réserves communautaires. Je crois que c'est à Moralan, il y en a, hein, je, je, je, ne connais pas. Donc euh, c'est ça notre rôle aujourd'hui de, et c'est ce qui justifie notre présence ici. je disais tout de suite que donc, euh, les terres sont devenues rares. Donc, euh, le, donc le reboisement, la désertification est une réalité, vu les infrastructures, les carrières, les, lotissements et tout ça. Donc les espaces sont devenus extrêmement rares donc c'est pourquoi on salue l'initiative du maire. on, va, essayer de renforcer parce que ces, initiatives sont entrent dans le cadre de, entre dans le cadre de euh, la reforestation. On remercie aussi le partenaire du maire, quoi, ADR, donc, qui, est le partenaire privilégié de, euh, la commune de Morala. Euh, je m'excuse me, je omis ce, partenaire important à ce nous Nous avons fi que reboisement vient encadrer le maire en tant que partenaire euh, de, la commune donc euh, c'est une action qui donc action ba nga day day day day tax bon reforestation am garab yi ñu fi nekkoon ñëwaat. donc nit ñi eh, am tout eh, espace vert am am ngelaw bu ñu segg parce que ngelaw bu ñu genn comme maire bi jël na initiative boobu. dañ koy remercier moom ak as as Asafodec je prononce pas as euh, as uh-huh. donc euh, initiative bu ñu jël initiative bu bu rafet la donc Eaux et Forêts moom dana taxaw si wetu parce que loolu mooy suñu liggéey ñun suñu liggéey c'est encadré donc euh, lutter contre la déforestation dafa don ne dafa maire bi dafa don wax ni dafa bëgg commune am un exemple mhm. Mani commune bi nek na déjà exemple parce que barewul commune yu jël souf su ma lu ni commune jël lu toll non alors def ko def ko réserve communautaire tey wut des partenaires aussi euh, dynamiques aussi présents que le asso asso Fodek waaw garab yi moom duñ koy dàgg bis gis ngeen ba ngeen dugg dëkk bi da ngeen gis ay euh, espace yu yaatu yu ñu dàgg pour def ko ay dëkkuwaay ay ay ay ay kër ay carrière ay euh, lu ne mhm. donc moo tax ma ni la maire bi dañ ko war encourager parce que lu mu lu mu lu réserver boppam pour defar donc àll bi dafa jafe mhm. moo tax ma ni déjà bu dafa ñaan pour mu nekk exemple nekk na exemple mhm. garab yi fi def nag mooy garab yu gën a adapté wu fi garab yoo xam ne danañ mën a euh, donc sukkali zone bi. yan xeetu ah, dañ ci def prosopis dañ ci def neb neb tubaab mooy neb neb tubaab dañ ci def ah, parkinsonia. amélifera euh, ak yeneen garab. ñoo xam ne ñoo adapté au fii quoi et dina tax aussi zone bi nekk zone touristique parce que réserve bu mel à l'exemple de de Bandia une réserve euh, touristique quoi où les gens pourront venir faire des investissements donc aménager des aires de repos et un poumon vert et éventuellement même un, un truc euh, ak ak euh, mun na am sax mu produire ay bant ak yooyu pour nit ñi mun ko njëriñoo parce que garab yi mu ñu màggatee mun nañ ci prélever parce que fi désertification defo defo defo defo yaatu tellement que euh, donc produit énergétique defo manquer fi donc réserve yi mun na indi déjà ndimbal ci lolu quoi. je suis Ahmed Tidiane Sey donc chargé du projet ADER de l'ONG ASAFODEP Thiès financé par Horizon 3000. Donc le projet ADER donc, est un projet d'une agriculture intégrée donc, euh, qui vise euh, principalement un développement qui assure euh, la souveraineté alimentaire aux populations des quatre communes d'intervention. En l'occurrence, la commune de Morolon, de Noto, Guidjamon, de Gender et de Kermoussa. Donc, en vue d'atteindre cet objectif, donc, le projet ADER est articulé autour de plusieurs composantes. Et une des plus intéressantes, c'est la protection et la restauration de l'environnement. C'est sous ce rapport qu'aujourd'hui, donc le projet adhère en collaboration avec la commune de Morolan, donc euh, notre, euh, notre partenaire euh, principal, donc l'amicale des étudiants et élèves de Morolan, les scouts, donc le service technique des eaux et forêts. Donc nous avons décidé d'organiser donc cette opération de reboisement. Donc, euh, ce qui est plus intéressant concernant cette opération de reboisement, c'est qu'il revêt donc euh, un caractère particulier. C'est l'implication des jeunes. Et car le projet ADER donc, a pour objectif d'inculquer euh, dans l'ADN de la jeunesse sénégalaise, plus particulièrement celle de Morolon, la culture écologique donc euh, la culture, donc euh, l'amour même à l'arbre. Donc raison pour laquelle donc euh, nous les accompagnons. Et d'ailleurs même ce qui est plus intéressant, c'est eux-mêmes qui ont proposé donc le thème retenu donc pour cette année reboisement et protection de la biodiversité, gage donc du développement durable. Donc c'est une occasion pour nous de démontrer également l'ensemble des jeunes les bénéfices écologiques de l'arbre et des espaces verts, mais également le lien qui existe entre la biodiversité et donc le développement durable donc nous avons tey dañu le maire avec l'ensemble des étudiants de la commune avec scouti ak service technique donc aux Forêts pour que nous ñëw sur commencer campagne de reboisement de bi nga xam ne juróomi junni plan la ñu commencé ren. fii ci Morolan waaw fii ci Morolan parce que lu ñu bëgg mooy dañu bëgg Morolan mu retrouver donc son lustre d'antan mooy que poumon vert bi fi nekkoon ci ay jamono moom la ñu bëgg a indiwaat. te sécheresse bi yóbbu woon ko donc looloo tax tey nii ñu defoon te au mois d'août amoon nañ ay activités d'inventaire ñu defoon fi donc rapport d'inventaire bi mom ci bopam mo wane né que niveau de dégradation bu nek fi ci réseau bi dafa alarmant té lu ko causé moy déboisement incontrôlé ñu di yak garab yi ak euh, feux de brousse récurrent yi nga également ci mais en même temps phénomène d'érosion bi constaté ni ci biir zone donc tax ñu il faut que nous ayons un programme d'urgence de restauration et de protection de l'environnement lolu mo waral tay ji ñu ne kat suñu première action nous nañu ko ñëkke ci reboisement donc ci ñaari junni plan ci euh, juroomi junni plan yoy bi ci tegu moy fii ak semaine bi di ñew bëgg nañu également commencer travaux de défense et de restauration du sol moy wàllum travaux cordon pierre yeeg diguette yeeg gabion et yoy yépp donc bëgg nañ ko def te projet bi également faire dérouler l'éducation environnementale parce que dañu bëgg jeunes yi ñu bëgg seen alam dañu bëgg jeunes yi bépp jeune bu ci nek ne man kat warna di jëmbat bañ ci xaar kenn mu nek ben réflexe bo xam ne dafay nekk benn réflexe au quotidien donc loolu lañ ci jublu moo tax aussi tey ñu ñëw organiser ñëpp daal di leen di gunge le maire di ko sant également parce que moom modèle la bu baax a baax a baax parce que xaaru ci kenn. à chaque fois depuis su bañu commencé suñu collaboration lu ñuy wax mooy sëy ñun duñu xaar projet ADER

donc il faut que donc dès maintenant jeunes engagent engagé donc tu domaine monéticité non mën donc euh, euh, gestion déchets recyclage la foresterie l'agroforesterie donc écotourisme également quotidien en même temps donc les bioénergies donc lolo tax ñun fini ñu bëgg jeunes Morolan sur la protection de l'environnement sur la restauration de l'environnement. Merci. Euh, monsieur Salim Sen, directeur du centre de formation professionnelle de Morola de formation professionnelle, nous sommes en partenariat avec, avec à travers ADR3. Et dans cette optique, nous avons eu à signer un protocole. dans ce protocole, il a été mentionné que l'ASAFODEB, à travers adr 3 va mettre à notre disposition des intrants, c'est-à-dire des semences et des produits phytosanitaires. Et que l'ASAFODEB également aura à divulguer des formations, à, assurer des formations au niveau de Morolan en partenariat avec le centre et également aussi des sciences de sensibilisation sur l'agrobio. Et c'est dans cette optique que nous sommes. Donc, euh, nous avons produit présentement plus de 300 plans que nous allons mettre à la disposition donc, de la SAFODEP. Donc également aussi nous sommes un partenaire de taille parce que comme vous le savez, le centre de formation professionnelle a comme filière locomotrice l'agriculture et l'élevage. Et il y a de cela un mois, donc nous avons eu le financement du 3FPT donc pour une ferme. Mmh. Donc c'est donc nous Demandons à l'Azafode à travers ad 3 de s'impliquer davantage aux activités de ce centre de formation. Les jeunes sont de Morolan, nous sommes un partenaire de taille et nous voulons participer activement à toutes les activités de cette association. Et nous remercions au passage M. Sey et l'équipe et son équipe de nous avoir impliqués dans cette activité ô combien importante. Voilà, donc nous sommes di aussi monsieur le maire M. Sey et toute son équipe Nous avons un service technique nous tout ci walu métier te métier bi bi ci gëna am solo daf ci bok agriculture élevage ci cadre bobu nak lañ nek en partenariat ak ASAFODEB à travers ADER 3 ñoñu nak ñu am ben papier bi ñoo protocole liñ ci tënk moy ASAFODEB daf ñuy jox ay semences jox ñu aussi ay produits ay mbuus ak ay génn ak lépp bo défar nañ fa ay garab war nañ ko sax livrer 300 cent euh, plants. Mhm ci kaw loolu aussi nous avons une formation yu mu war dérouler formation est aussi centre de formation de côté, ko sensibilisation pour l'agriculture bio mais également formation yi ñuy def foofu comme ñun dañuy yëngatu ci wàllu tout ce qui est formation ñun ñoo koy euh, ñoo ngi donc ci kaw itam may profité di santé Seye ak équipe am wax aussi am nañ filière euh, ferme bi ñu financé ci ferme bob aussi ñi ngi woo ASAFODEB mu gëna a impliqué ci euh, yëngu-yëngu ñi yëngatu parce que les jeunes sont de Morolan te activité bi seen activité la. bu ñu demee ba euh, Morolan naat garab am Poumonvert am loolu yëpp. Euh, ñoom dañoo fekk ci benn tool boo xam ne ñu ngi béy suñu waar ñëw seen di béy seen waar donc bëgg nañu lëkkaloo daal pour le développement de Morolan wasalaam. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Yves Mathieu Tendeng nekk président wu amical élèves étudiants bu Morolan suñu taxawee tey ji ci journée bi ci campagne bi dara dafa commencé ci benn partenariat partenariat bi mu lëkkaloo mu boole étudiants yi mairie bi ONG Asafotef ak eaux et rek ci cadre pour woné ne tay ñun dañu war nek benen étudiant nekkul étudiant bi nga xamné ne neuf mois ya ngi jàng yenen mois yi ci tegu da ngay passif do man do def dara donc ci lolu ñi lancer message moy su yeneen morom étudiant. di ñu wacc ci dëkk bi ci gox yi di liggéeyal seen gox comme ça gox bi di mën di naat loolu la ñuy soxla ci un nouveau type d' étudiant ak un nouveau type d' élève el